Vous savez, le fleuve Niger prend sa source en Guinée et il se jette au niveau de l'océan Atlantique vers le Nigeria. Jadis, donc, ce fleuve était, les berges étaient occupées par des forêts galeries. Donc, ce sont ces forêts-là qui régulaient le débit du fleuve. Ces forêts-là empêchaient, en tout cas, les phénomènes du, de l'ensablement à travers les eaux de ruissellement. Voilà, en filtrant les eaux du, ruissellement et les eaux de pluie. Mais aujourd'hui, le constat est simple. Ces forêts-là ont disparu et on fait place donc au, phénomène donc euh, d'ensablement donc c'est la dégradation totale donc de ces berges c'est ce qui entraîne euh, l'ensablement du fleuve et l'ensablement aussi des moyens de production qui sont tout autour euh, du, bassin Boukari Abdullah, est-ce qu'on peut encore euh, reverdir euh, ces berges du fleuve Niger Bon, c'est possible parce qu'il y a un projet qui, a, qui avait essayé, le, PLCE, e, et qui était un projet donc, euh, financé par l'ABN. C'était un projet en tout cas sous-régional et qui avait donné des résultats probants. Donc ça veut dire que si, si on s'y met, c'est possible avec les financements avec la, volonté des, communautés riveraines qui est là, donc euh, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres causes de l'ensablement du fleuve Niger Bon, il y a les changements climatiques, il y a, l'homme. L'homme, là où il y a un point d'eau, il y a toujours le développement des activités socio-économiques. C'est-à-dire les gens vont essayer d'exploiter la ressource en faisant des défrichements. Donc euh, ces défrichements donc, sont source en tout cas si elles ne sont pas contrôlées, source vraiment de, du l'ensablement. Boukari Abdullahi, c'est conscient de cet état de fait que le pouvoir public ont décidé, avec l'appui des partenaires, de mettre en place un programme euh, dit de lutte contre l'ensablement du bassin du Niger, vous l'avez rappelé, euh, d'un montant global d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Ce programme aura bénéficié de 70 000 personnes pendant les cinq années passées. Les actions ont-elles été à la hauteur des enjeux et des attentes des populations euh, riveraines du fleuve Niger oui, effectivement, surtout dans la zone d'intervention donc euh, du projet qui couvre les communes donc du, Bitinkoji jusqu'à Namaro. Et il y a eu des actions de restauration des terres, il y a eu des actions de fixation du dunes. Donc il y avait des dunes qui mouvaient, qui bougeaient. Ces dunes-là ont été fixées. Et il y a des activités socio-économiques qui se déroulent même sur ces dunes parce qu'on euh, fait des cultures maintenant là-dessus, donc au bénéfice des populations. il y a eu plusieurs renforcements des capacités, en tout cas en matière donc de restauration de l'environnement pour les communautés locales, ce qui n'est pas mal. Il y a eu la restauration donc des terres au niveau des, versants, ce qui a permis un peu de régénérer l'écosystème. Boukara l'action de l'homme n'est pas pour rien dans l'ensemblement du fleuve Niger. Est-ce que ces populations-là sont conscientes du danger que représente l'ensemblement du fleuve Niger oui, effectivement, les populations sont conscientes. Maintenant, vous voyez avec euh, avec euh, une petite pluie, c'est les inondations. Ça veut dire que le, lit du fleuve est ensablé. Donc euh, les populations sont conscientes, mais elles n'ont pas de choix. Parce qu'il faut, faut cultiver quand même. Ils font de leur mieux, mais ils n'ont pas le choix. Il faut les accompagner. Donc ça veut dire que si on les accompagne, ça aura des effets positifs sur euh, ce phénomène. Tout à fait, tout à fait. Boukari Abdoulaye, avec euh, des effets de plus en plus ressentis sur l'ensemble du continent africain, le changement climatique n'a pas épargné le fleuve Niger. Que faut-il euh, s'attendre dans les mois ou années à venir si rien n'est fait Si rien n'est fait, le fleuve disparaît, c'est tout. Si rien n'est fait, l'inondation va causer le fleuve va détruire beaucoup de, des habitations. Même les cultures irriguées qu'on fait tout autour ne seraient pas possibles parce que euh, l'eau va inonder les espaces cultivables. si rien n'est fait, donc euh, on ne le souhaite pas, le fleuve risque de disparaître. Est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce qu'on peut sauver ce fleuve Tout à fait. On est même en train de faire parce que c'est la vision, en tout cas, euh, à l'échelle même du bassin. Ce n'est pas seulement au niveau du Niger, mais il faut comprendre le Niger en tant que fleuve. Donc, c'est des actions vraiment. Depuis la source Depuis la source jusqu'à là où. À euh, l'embouchure. Voilà, donc des euh, actions sont en train d'être menées pour, pour le sauver.